Jusqu'à présent, on n'a pas d'électricité, on n'a pas trouvé l'eau comme on veut, parce qu'on a mis une seule compteur. Le compteur, ça ne peut pas nous suffire. Ici, là, c'est 5 hectares. Tout le parc, c'est 114 parcs. Actuellement, on avait 110 parcs qui ont des véhicules là. Maintenant, le marché, c'est une marché morte, parce que dès qu'on dégarpire au complexe, là, jusqu'à présent, on n'a a pas de clients comme avant. Surtout maintenant, le problème de la douane qui nous arrive maintenant là, avec cette situation là, vraiment, nous, on est en train de rester seulement, on ne va rien tous les vendeurs de véhicules de Niamey maintenant, voilà, avec le nouveau système là, vraiment, ça ne peut pas aller. Ça ne va pas. La situation d'avant et maintenant, on ne peut même pas comparer ça. Parce qu'avant, il y avait une activité un peu, mais maintenant, tout est freiné. Ça ne va pas du tout, franchement. Le problème qui nous arrive maintenant, c'est le problème de Sony Loga. Parce que maintenant, même au niveau du Gaïa aux frontières, avant, on paye le carnet à 55 000. Maintenant, avec Sony Loga, ils ont augmenté de 30 000 à 22 000. Les résiduels, c'est à 15 000. Donc, jusqu'à 90 000, 85 000, au lieu de 55 000. Pour faire la visite, technique. Hein. Si c'est une voiture résiduelle, c'est 15 000 le visite technique. Il y a d'autres qui n'ont pas résiduelle c'est à 22 800. Il y a d'autres encore, c'est 30 000. Et puis la valeur, si on a pris le valeur maintenant le matin, on va faxer ça au niveau du Côte d'Ivoire. C'est après que le résultat va venir. Une voiture qu'avant résiduelle, on donne, on donne la valeur à 750 000. Maintenant, la valeur a été montée jusqu'à 1 425 000. Donc au lieu de payer 355 000, parce que si la valeur résiduelle était à, à 750 000, tu payes 355 000. Maintenant, c'est 1 425 000. Obligé, de vas payer 820 et quelques mille. Donc, ils ont doublé. Euh, d'autres véhicules, ils ont triplé. Actuellement, il n'y a pas de clients. Depuis le 1er novembre jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui était venu acheter voiture. Même les petites voitures qui sont résiduelles, les jeunes ne viennent pas. Parce que vraiment, le pays est trop fatigué maintenant. Les gens n'ont pas l'argent. Et puis, il y a ça aussi, plus la douane qui nous a frappé complètement, qu'ils ont mis à faire de sonner le gars là. C'est pour cela que les clients ne viennent plus encore même. Parce que même avant, c'est pas tout le monde qui achète véhicules et de donner même jour. Comme ils ont trouvé un peu de l'argent, ils vont acheter la voiture et déposer un, deux mois, trois mois après avant de trouver les gens pour douaner. Je veux dire, si 20 personnes achètent un véhicule aujourd'hui, peut-être c'est 5 qui vont le le même jour. Le 15 là, ils vont jusqu'à deux mois avant de donner. Notre appel qu'on va lancer à l'autorité nigérienne, vraiment, cet euh, système de Sony Loga là, ils n'ont qu'à oublier ça. Parce qu'avec Sony Loga, on ne parle pas nulle part, franchement. Parce que, un, nous, les vendeurs de véhicules, on ne vend pas, l'État aussi ne trouve pas. Parce que pourquoi si on n'a pas vendu, les gens aussi ne peuvent pas aller douaner. Avant, par jour, ils vont de l'année 80 à 100 véhicules. Maintenant, depuis le 1er novembre jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trouvé 100 véhicules.